Boki Sénégal man Ahmad Job Sen Fidel chroniqueur hebdomadaire Accent serviteur Molindi leen Qui nuyu ci sunu waxtaan wi

Nous leen koy à travers les ondes de notre radio Sunuker FM la première radio panafricaine nekk ca Californie sommes une radio exceptionnelle de renommée internationale 26 novembre 2019 comme ni ma koy waxee toujours sunu waxtaan wi day gën a am solo ndax tey jii la wàllu gën a aay li may wax moo ci nekk neexu tax nag waaye loolu moo fi am ndax dëgg mënta nekk ay fen bi pënd wure gis gisati tëj sunuy bët résignation moo koy indi fatalisme moo koy indi réew mu tële ñépp moo koy indi damay faral di wax ne baadoo la sàcckat ak mbaxanam seytaaneem franc-maçon franc-maçon bu mag la workat bu mag bii fi nekk fenn ba falu ci 2012 kàcc yu mag ci fen yu mag moom la defoon xamoon na li muy def bi toogee ci siis bi wone na lim doon mbir mi affaire jikko la affaire deret la affaire juddu la loolu moy limu namp amut gis-gis bu rafet amut kaddu ni worma ni yermande ci sunu askan wi bimu falo ba ci 2012 dafa dekk ci bew di addu kalpe ci lépp depuis presque huit ans juróom-ñetti at ëpp na waasoon rek lay fal day këf di nangu këfati te maa tey baadoola mbokkam lay fal ak waasom ku ci le monstre dit le label l'homme de la surcharge pondérale du déshonneur le braqueur menteur professionnel profanateur mécréant franc-maçon dont les casseroles sont plus bruyantes que le coup de tonnerre comme il tient coûte que coûte à laver contre vents marais et à grande eau pour la énième fois ces mensonges cataclysmiques si grossiers concernant son troisième mandat illégal moralement politiquement cliniquement et juridiquement Nous léegi lépp lay tere ay surgaam bu def les éléments de langage ndax moo ko wax ne troisième mandat jeex na ñoom ñëpp fàdd na leen ñoom ñëpp tëj nañ seen gémmiñ moot maa depuis des années augmentation des prix tout azimut ci courant bi ci la dëkk Goudi ak bëccëg diko répéter pédagogie la muy l'augmentation des denrées de première nécessité et les coupures intempestives récurrentes du courant électrique xooy kamaj ndox mi day couper goudi ak bëccëg li waral lenn la les emprunts obligataires inutiles se multiplient plus la précarité à propension se corse à un rythme effréné les ci tissu, les paniers des ménages en paix le prix fort surtout dans un pays majoritairement abonné au chômage chronique à baadoola bi day gens sunu réunis armé ci presse ak ci outils de domination qui avion banque mondiale FMI mon kalam Gatana, état du Sénégal am un arsenal juridique conflit d'intérêts manifeste mu ko la crise boo mu teg ces justiciers soumis et aux ordres qui s'écartent dangereusement de son chemin ne justice justicier lañu Nous une armée de ribambelles et aux attaches d'un profanateur malfaiteur Nous avons ethnique ci Afrique depuis 60 ba les médiocres nous def l'histoire à la place des bons minoritaires ndax ñoy nek des références buñ démé ba nga xamné ne presse bi na ñepp nopi extérieur de ca bitim rew amu fi badjan amu fu nijaay muy trancher en lieu et place de nous mu ne baadoolo bii muy Macky Sall fait partie des dirigeants les plus influents au monde xanaa nun munu noo jàng waaye nag loolu jaaxluñ ci baadoolo bi ndax koo D'accord, un décret présidentialiste cataclysmique confiscatoire à la démocratie Moutoudeko, une cour de répression de l'enrichissement illicite mon œil. décret présidentiel une cour martiale unique au monde digne de la Stasi. conflit d'intérêts manifeste totalement illégal juridiquement moralement cliniquement et politiquement une arme politique de guerre confiscatoire à la démocratie et aux libertés fondamentales de conscience. Selon Sénégal Guy, depuis 1963, ba régime présidentiel autoritaire prédateur mon fi nous. Nous avons beaucoup bokkut ak sunuy le droit international ñu def ko ci ndax ci ñun ñu copier ko indil ko nu la constitution du Sénégal te mësta constitution du Sénégal moo fi indi nous un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ñi dañoo yabate. Mais li nga ci dans toute l'histoire du Sénégal qui nga xamné ne muy Macky Sall yore wu reuy ne leppam day changement total rupture ndax mom dafa bi re gis nañu ay ndax ci la un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple Mais un capharnaüm le ou un amas de cafards et de vers de terre baveux tribaliste qui ki ko l'autocrate fokkat ci di moi, Macky Sall le caïd tout clanique l'homme de la surcharge pondérale, dit l'entonnoir colonial, ou le caniche de l'Occident, n'est de bandoum de la débauche et de la démesure, dont l'immoralité n'échappe plus au commun des mortels. Par sa lâcheté innée, inégalée, inégalable, Mouy y a cinq ses propres lois uniques cyniques comme jot nous sëkk nous applique la même fatwa la même loi ndax te loolu war nañ ko ko def defal ko ko ndax dafa ragal kaso buñ ko ko il s'éterniserait en prison toute sa vie nous indiquons des circonstances aggravées ndax de bénéficier immanquablement d'une peine incompréhensible de de ans pour multicrimes financiers économiques et perte de ses droits civiques supposés sa place Mr pas au palais mais à rebours. Son Guantanamo bi nga xam moko tabax gën di ko mu fay duggal ñi neex mu leen di à sa propre guise contre ce qui lui font dans l'ombre loolu kat mo fi nak waye nak yeen wa Sénégal ak sénégalais ak sénégalais yi nekk ci bir réew ma ak sénégalais ak sénégalais yi nekk ci bitim réew ñu leen di tuddee les sénégalais de l'extérieur suñu jàmbaar yu mag yi maa ngi leen di nu nuyooti di leen sant te di leen gërëm te di leen sargal ci déglu bi ngeen ñuy déglu bàyyi seen yitte yépp kon gatcha ngalama yéen wa Sénégal amul leen morom nous ngi remercier aussi tous les intervenants yi nga xam ken kenn demul ñu dess ndax ay gor lañu manam le meilleur sentinelle ci Sénégal ndax gor yi bu ñu def sen waxtaan te ñu bokku ci ñu tuddee ko l'info autrement nous koy def altine ak alxames à partir de 16 h GMT heure du Sénégal sous amee exceptionnel qui diggante bi dañuy bàyyi seen yitte yépp di ko toute la semaine sans répit ñu indi des redivisions par des oignons très audible dañoo gis ne mbir mi affaire pédagogie la affaire patriotisme la dañoo bëgg la lanterne des sénégalais et des sénégalaises sur les mystifications du label d'un menteur professionnel profanateur mécréant franc-maçon ndax noonu lay defe ça. na li taxoon ñu fal ko ci 2012 ce à quoi il a été élu à défaut et par dépit dans des conditions totalement exceptionnelles inédites mu wax fi waxati fi discours yu rëy mu ne sa casquette en tant que secrétaire général de son propre parti, aujourd'hui plus que jamais cliniquement clanique, de 7 à 5 ans franc il s'est métamorphosé en changeant comme si rien n'était moi, du jikko du minable kleptocrate des horloges agitateur traître teigneux en place ben le mérite bu ndey wax dëgg rek te tax amul scrupule ni aucune lueur d'humilité peu ou prou nous ko couvrir c'est un accident de l'histoire Macky est plus dangereux qu'une enzyme. gouvernance bancale ethnique mi qui ko été ci ay ex favori muy Yoni, voyez la sac. sàkk di seet ñi nous ak indi c'est justicier politique yoo xam ne ces armes de guerre confiscatoires à la démocratie et aux libertés fondamentales de conscience Voyez, gor yi yemuñu ci loolu bu yàlla sàkk ci loolu la nekk samedi bu nekk dañuy indi waxtaan en toute objectivité

nek ci Californie muy sunu radio exceptionnel bu mag bi de renommée internationale nga xam bu lolou wéyee ñun ñi nga xam ne nek ci conscience patriotique pour le changement xam sa rew bëgg sa rew jariñ sa réew ñu gën ñoo xam ci sous l'acronyme CPC ñu day yokkute courant bii ak njëg gi bettunu ndax yàgg nañ koo wax ci la dëkk guddi ak bëccëg seet leen ak suñuy ojo ndax li ñuy wax dafa am fu ñu par des preuves matérielles Lo xamné ne bi pënduwuree gis nañu li nga xamné ne moom la ñuy wax fi mu nek depuis 2012 ba tay ji may waxtaan ak yeen les emprunts obligataires se multiplient te loolu day indi giraawali maanaam nous avons une précarité di fi am à propension qui se corse à un rythme effréné ndax conséquences les paniers des ménages deviennent gën a rétrécir surtout nag réew la majorité nous ñu noppi ñun ñëpp courant bi di coupé kuy kamaj ndox mi baaxut Sénégal moomut ay télécommunication di pays yi am fayda ñoo télécommunication seeni armée dañ di jox moyen yu takku waaye ci Sénégal la résignation est de mise et au nom d'un masla qui est synonyme d'abdication et de quardise dans une certaine mesure. Nda, Sénégal dañuy wax ne yàlla moo fal mooy folli Manam, sunu musiba bi fi nek mbir mi buñ ko seetloo ba seetlu ko gës ko gëstu ko def ci analyse sur l'entendement de certains sénégalais xamuñu l'islam lu muy wax ndax dafa mel ni que dañuy accabler Dieu le Tout-Puissant vous est considéré comme le mal du Sénégal dans kat madame fi Madame, une bonne lecture voyez, une mauvaise lecture erronée sur le maître de l'univers et des cieux de tout ce qui bouge sommes-nous maudits mbir mi buñ ko setlo ba setlo ko jangat ko hausse du prix de l'électricité ak njëg gi ak ci de première nécessité tout azimut mbir mi dafa and ak la logique des plans structurels pandémiques massifs du FMI et de la Banque mondiale la sarabande nos di ce qui va changer Manam, la servilité répète les mêmes éléments de langage plagie hystériquement la sémantique de la presse outre-Atlantique quand il s'agit d'augmentation. Manam dañuy utiliser des raccourcis légers pour atténuer les dégâts collatéraux et arrondir les angles et centrer les coins te li ci gëna a non seulement njëg gi dafa seer kenn waxatut kenn liggéeyatut kenn au hôpitaux yu dañoo nekk des mouroirs baadoole yi nga xamné ak seni clan ak seni famille bu len bandi ko xuri ko ñu jël picc mi contribuable sénégalais yi ñokoy koy fay waye li nga xamné mo ci Sénégal musu am alors affaire Bougazeli son avocat ne Mingi le respect de la présomption d'innocence muy le député bi nga xam des contrefaçons sur la monnaie du franc CFA muy le coupable désigné tout comme son maître casseur du siècle et le mal du Sénégal muy Macky Sall député Aper Bobou suit les pas de Macky Sall en s'érigeant victimaire des leurs. Ce que veut dire en toute logique qu'il sera libéré et bénéficiera d'un non-lieu programmé. Là, le décidément c'est la république des privilèges d'exception et des passe-droits et des complications et des compilations ignominieuses. c'est la république des faquins à la peau dure. waaye damay fàttali ben mbir ci bi nga xamante ni bii ne ci affaireu Khalifa Sall ak Karim Wade nga Karim Wad. nga Karim Kaba le ministre de la justice et garde des Sceaux du Fosser né conflit d'intérêts antagonique Sidiki Kaba dafa waxone ne Karim wad dafa wara bénéficier d'une présomption de culpabilité résultat des courses Karim wad ak Khalifa Sall dañ leena sanni tout mal leen Karim wad ñu déporté ko au point que Macky Sall mom moom réew mi ndax daf ko doon ci ndey ak ci

un véritable état sénégalais Bo xamné lepp lo xamné mi ngi koy def daf koy def ci bopam du ko sonon du ko def ndax ab pays gouverner ndax wara tirer toutes les conséquences li nga xam ne dund nañ ko ci adduna bi ndax ñoo gën a sonn ci adduna bi ci af Afrique maanaam li nga xam ne moom la bëgg un contre pouvoir suñ réew mi libre ñu recevoir fi un état de droit waaye badalo bi yoonam nekku ci dañ ko ngemb ñi ko ngemb seen fu nekkul ci état de droit li ñu bëgg mooy un tyran bëgguñu transparence bëgguñu démocratie am ndax loolu arrangé wu leen ndax kenn dutu mën a sàcc ñu leen koy jox kon ñoom seen bopp dong lañ fi nekkal musuñu défendre ni le droit ni la justice sans la liberté, on ne peut rien construire de solide ni de bon. kon ki nga le vagabond l'envoyé spécial colonial attitré en Afrique et accrédité à Dakar nga xamne qui ci sunu Sénégal gi lu manawa. Le Formation n'est qu'un un grand pays historique au point de vue du savoir pluriel et de la morale éternelle en puissance Voyez, depuis 2012 la république des scandales de la bamboula a ramené toute une famille paresseuse essence. takk nombay que roulé dans de gros bolides. Allah Akbar. Une dictature qui tourne à plein régime. Intégralement négationniste d'apartheid. Ça commande bassement en permanence. En allumant, il y a la sac des contre-feux. Naturellement, nous disons fi. Macedon Warné, il a bénéficié des privilèges relatifs à sa position d'ancien premier ministre kon kooku Konko, kon kooku wax dëgg yàlla ni mu ni mu mel rek ni mu mel rek noonu la ni gouverner te léegi day foqar ci bi mu toogee ci siis bi ndax wor kadi, ci loolu la nek, te moo ci jiitu ci Afrique ndax moo nek le chef de service des nègres aligné muy la servi qui occulte dangereusement la dépendance dynamique coloniale Moui Macky le champion de la rupture aléatoire de la corruption Manam, le chantre du népotisme et de la pagaille une certaine presse très loquace Dembu, c'est le bari woon a dañ tango ak sago pour un oui ou pour un nom, et de façon péremptoire, abusive, sur l'ancien régime qui en avait pour son grade, était traité de tous les anathèmes du monde. Nous tam lu Voyez curieusement bi gis gisati voyez dëkk bu bëgg a jël ndaare ci loolu ngay nekk kon la même affluence répugnante nauséabonde seen njëriñu bopp dong moo taxoon ñu critiquer waaye dafa changer curieusement sa peau waaye day garder sa nature ndax day crypter les discours d'une nulard nga xam qui brisé les consciences abîmées qui la nek. ndax xaalis bi jógewut ci poosam ci poosu contribuable sénégalais qui le la la même servilité change de tonalité et de sémantique et préfère parler de gros morceaux péché suis pas Macky Sall de guerre presse c'est une presse pressureuse la corruption or la corruption est un crime autrement dit le régime présidentialiste prédateur tel qu'il est conçu de légaliser ndax actionné actionner sponsoriser la corruption malgré son caractère pervers et idyllique la constitution du Sénégal moko mais la réalité est tout autre d'où l'hypocrisie du régime présidentielle autoritaire et son système de cafardum des corrompus. Nda. Lolo moo la constitution moribonde n'a jamais prévu ni de caisse, ni de fonds politiques pour le chef de l'exécutif. Voyez, ce dernier, de plus en plus, de yoko, son budget def ko ci te lolu buñ ko ba ko dafa une spécificité sénégalaise et africaine une exclusivité même au monde c'est une caisse blanche extensible qui devient systématiquement une lamentable machine toxique à corruption massive tout azimut à haut débit. Vous voyez bien que le président monarque Mustaham, la caisse blanche a Macky daf koy sàcc ci budget de la présidence nga xamné ndax mu corrompre les notables abîmés présumés notables ndax ay dagam gën dañ trouver leur gagne-pain indécent Comme le Sénégal nous comptons point sur le suffrage universaliste dès l'heure n'est que du vent. Autant donc nous utiliser d'autres paramètres distincts des cirques électoraux permanents. Vous nous voulez instaurer un état de droit régalien civilisé avec une justice libre, souveraine et indépendante nga pouvoir du peuple am fii ce n'est que la face émergée de l'iceberg les prédateurs serviles sous tutelle coloniale agissent à ciel ouvert en légalisant ouvertement et par devers ñuy indi des schémas décriés yoo dañuy nekk des mécanismes confiscatoires à la démocratie qui sont synonymes d'escroquerie Ce loolu day une norme établie c'est la loi de l'omerta waaye Macky loolu ci moom ndax moom ci le dëkk day def l'apologie du nazisme monétaire maanaam l'ingérence coloniale kooku amul patriotisme amut fiskalisme, te amut panafrikanisme, te amut civisme Koko mooy di deklare, di set, ñi nga xam ne ñoo ko yilif ko mu nangu ko ndax mooy seen dak da leen a joxoon ay gage ndax ci la dëkk ndax mi ngi koy def matériellement sur le terrain du crime muy déclarer ne la monnaie coloniale est bonne à garder

l'accaparement des ressources du Sénégal par une seule famille paresseuse, pitiatique avec son clan Maki, di leen jox ndombay tànk yu kowe mu jox des postes de haute stratégie xam ngeen ne corporatisme ethnique sans éthique ni équité qui ko wax rupture sombre Quand on yi commencé na ndax preuve kat mi ngi fi mu jox leen a dans toutes les structures de l'État sénégalais vassalisé jusqu'à la lie comme si les compétences et les expériences bidonnées des CV de Ramassi se mesurent scandaleusement à l'aune des mêmes patronymes particulier visible bien sonnant Quand moi la conviction surannée surréaliste du négationniste Macky Sall qui foule du pied a la ça que les affaires de la cité il n'en a rien à cirer il n'en a que. le traître tribaliste en chair et en os qui le prouve matériellement bés bu sac sur le terrain du crime Monde day gis ne am xam-xam médiocratie le bëgg méritocratie amu fi poste dañ koy ndax concevoir exclusivement à l'aune de son bazar et au nom de la consanguinité ethnique et à la proximité de l'idolâtrie représentée par le binôme de mystification ethnique idiocratique Lol kat mo fi nek. kon yeen gor yi ñoo ngi leen di fraterniser conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew Si sa réew sunu Sénégal gi gagné ak sénégalais yi ak sénégalais yi bu nu bëggé man nan changer dans le sens des progrès exponentiels ensemble tout est possible toutes les ressources humaines mi ngi fi experts ñu ngi fi li fi manqué kay mooy booloo am mbooloo bu ñu fexee ba nga xam ne ñi bëgg suñu réew mi ñoo ëpp fuuf ñu koy war yaakaar nañ ne suñu Sénégal gi dana jëm ci kanam comme ni ko France defee comme ni ko États-Unis defee waaye suñu Sénégal gi day prendre le contre-pied des autres pays européens les une minorité cartélisée de la sarabande est beaucoup plus structurée que l'ensemble des Sénégalais, tous accroupis par la résignation et le fatalisme. Le mot tax suñu Sénégal tardé kon nous ñi ne CPC porte drapeau étendard Nous nga dañu bëgg sunu Sénégal gi wax dëgg yàlla taxaw temm yilif boppam lépp lu muy def mu def ko ci coobaray boppam mu topp ci tanki di pays émergents waaye sunu rajo sunu kër FM la première radio panafricaine nekk ca Californie ca Los Angeles su fi notre rajo sunu kër exceptionnel bu mag bi de renommée internationale su fi nekkutoon àdduna tukki ndax mbilim là. toute critique minime un citoyen ou citoyenne sénégalaise wala journaliste wala ku mën a doon mu wax dëgg teg ko ci ay preuves matérielles dañ koy fadd dans les minutes qui suivent sur gueule du tyran encombrant Koko est passible de prison ferme dañ koy defal presto un mandat de dépôt Voyez les fonctionnaires paresseux politiques, mercenaires alimentaires tous se transforment en sarabande des véritables baveux li ñu doon ci tous des pourris ou majoritairement ndax la plupart d'entre eux dañoo mas le symbole maléfique des traîtres baveux unifiés dans l'âme Faut que rek fa la ñu nekk kii critique tey soo liggéey bu faloo nous jam. jaamu ndax ils boire sans répit le calice jusqu'à la lit du haut de leur rang Ils dund ci mbaggum en toute impunité ndax sont tayel dañuy naan kati jantaabe te leneen lañuy naan dañuy tàggoo ak seen sago ndax dañoo fuuy ne tarisse pas d'éloge à l'égard du fasciste en place autocrate lequel semble-t-il paraît-il n'avoir pas de dépôt de défaut mais rien que des qualités xam ngeen ne loolu ay wax la ndax ku ñu jiiñ dëmm nga génne yeen liir ci suñu dëkk bi lu ñu la yaa ko def muy tàqamti ko di wàccu di gal la kon xam ngeen ne kooku kooku ñuy tuumaal wane na boppam ndax bi pëluuree gis nanu lu ñaaw li nga xam ne ci la nekk ci Sénégal ndax suñu Sénégal gi du jëm ci kanam tànk baadoola ba mi ngi fi maa ko wax ses propres intérêts mal placés de caler à ceux de ces maîtres blancs suprémacistes locaux d'armes Nous soutenus soutenu dans le secret de Dieu et de façon souterraine Nous avons def au nom de la soi-disant stratégie géopolitique internationale Mais l'Afrique Afrique dans le précaré colonial Madame dañoo teg Afrique ay considéré comme une esclave de droit divin waaye est bi symboliser même ñi ko soutenir xam nañ ne bu mag la waaye nag un fonctionnaire si riche n'est jamais synonyme de patriotisme qui n'écoute kilifa muy c'est un indigne chef de bande d'un parti politique cliniquement clanique te wona ne ko plus d'une fois ci sunu digg penc mi sunu digg dekk bi muy le pion mercenaire Macky Sall le label du foutoir en chair et en os ba tay ji ak demb ñu peindre parce que yàlla sàkk sur les deux fronts victimaires de l'heure ci 2012 nga xam ci lolo la nek Goladi bay Babu, di dunde nga xamné la presse des références propagandistes mondialistes de l'arbitraire et de la tyrannie ñu joko manam ñu nek en avec le vacarme hystérique de la stérilité endogène en place nga xamné ci lolo la nek ba mais aujourd'hui te walu a ay ndax bi buñ ko falé ci 2012 fen na dara ci référendum bi mu foqar ci nga xamné référendum bi son mandat présidentiel bi y a de 7 à 5 ans bokku ci mu tollanti par les submersions cataclysmiques lolu

yoonam nekul ci à nos attentes présentes sociales ku goré di ngoy def il passe tout son temps à restreindre drastiquement et davantage la liberté d'expression ndax day jënd les consciences abîmées présumées notables de l'heure te li koy jëndé ci argent du contribuable sénégalais la koy foqar ci nga xamné Sénégal dañ leen di de toutes les taxes du monde qui employé qui lépp du matériel de répression les populations siphonnées astiquées vous considérons comme un matelas financier extensible Vous les décrivons d'impôts et de taxes de toutes sortes avons fait le prix fort yet wi a des gens te c'est surréaliste c'est Afrique lañ ko def ñun ñi nga conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew sa réew loolu duñ ci te duñ ci ndax lu ko jaral ko jaral il faut que sunu Sénégal gi yilif mu le maître de son propre destin ndax c'est ça à ce prisme-là que le Sénégal gii mën a retrouver sa dignité ak sa plénitude ak son rayonnement boo xam ne lépp lu muy def daf koy def sur des bases voulues à l'instar des nations émergentes te loolu du ma tay di wax hier comme aujourd'hui depuis 15 ans notre radio sunuker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 que de l'establishment ndax tout tout toujours dans sa trajectoire révolutionnaire qui évolue dans le bon sens des valeurs et des progrès immenses, exponentiels, salutaires et indispensables pour que nous soyons capables d'assurer le destin de notre pays sur des bases voulues, en toute logique et en toute conscience, qu'on le veuille ou non n'en déplaise au turiféraires de la pestilentielle, où la peste, représentée par la paire, notre média est devenu plus que jamais un phénomène de société qui reste le seul à aborder librement les sujets les plus variés qui sont considérés comme la loi de l'Omerta, en particulier la gouvernance politique, bancale, ethnique, que les médias servile du service public médias buñ ko dans buñ ko ndax ay rabatteur lañu sa la fi lu les mêmes patronymes particuliers ñoo visible bien sonna lool mo la maison prétendue de la presse lool mo RTS la radio télévision Racine tala Macky Sall Le Soleil il y a fa peu de xarmat di jaay de di ko tagg di et même la presse privée qui est la ñu ne même passe au peigne fin tous arrimés et deviennent de facto des instruments alimentaires politiques soumis aux ordres et monopolisé par le pouvoir calamiteux tortionnaire usurier n'ont pas, ndax dañuy xam tëj seen gimi kon pas amuñu patriotisme amuñu fiscalisme te amuñu euh, patriotisme nga propre intérêt mesquin donc la défendre wax Ils bu mag bi bu des innovations multiples tant par la qualité des informations qui sont publiées à travers notre, radio, notre site sunuker.com que par les analyses pertinentes des sentinelles sénégalaises. à travers les ondes de notre radio Sunuker FM, la première radio panafricaine, mais que Los Angeles, nous sommes radio Boumangbi. l'avant-garde du civisme et du patriotisme en toute humilité de nous dire wax temps rek te dafa une exclusivité de notre site sunuker.com Oui, la première radio panafricaine de renommée internationale que à Los Angeles en Californie vous ne trouvez nulle part ailleurs de telles informations capitales utiles les plus importantes si diverses et variées par leur qualité éminemment prouvée matériellement surtout celle qui relève incontestablement de la géopolitique, qui contraste parfaitement avec la platitude manifeste de la servilité en place de yalwaat du daganal le bilan si chaotique du négationniste ethnique révisionniste et dont l'immoralité malodorante sans égale, exceptionnelle et substantielle à son taux d'ADN. Évidemment, il n'y a rien d'étonnant de la part d'un professionnel menteur, mécréant, profanateur, franc-maçon dans l'âme, qui ment plus qu'il ne respire. ma taille du La répétition est pédagogique. Le Sénégal, sous le Sénégal, Guy, du pénombre et du guépier infernal nga ne depuis presque 8 ans nous nous mën def bu ñu bëggee jëm ci kanam il faut que ñu régler le compte du traître en et en os ak sa bande de fripouilles alignés tombés. ndax sun rajo bu mag bi un panel d'intellectuels d'hommes et de femmes nous ñëpp dañoo nekk de gros calibre doués et en matière grise s'expriment en toute logique en toute conscience nga en toute connaissance de cause ndax avons démontré démontrer magistralement ces capacités intellectuelles, nga xamné nek des têtes bien pleines ñuy décortiquer ndax dañuy font part de leur expertise sur les produits toxiques chimiques notamment les faits divers scientifiques sanitaires sociaux religieux et politiques sans oublier les incivilités patentes dont sont coupables les politiciens véreux qui ont manifestement failli à leur mission régalienne. Nous avons oublié, la boîte de Pandore à certains citoyens égarés par leur manque de conscience Nous soulageons publiquement et piteusement aux abords des bâtiments loolu moo non' ñu anarchie loolu motax sun rewmi réew mi kon yéen gori yi soyez donc plus nombreux ngén di déglu gori yi à travers les ondes de notre radio suñu cœur FM la première radio panafricaine nekk ci Californie yoro len seen khalima indi seen discours indi seen texte te dara lu Vous ci fekk xamné ne radio bu mag bi mo la plus populaire reste plus que jamais l'éternelle cheville ouvrière des sentinelles sénégalaises, aux vérités implacables aux bras d'acier, inestables et qui font constamment preuve d'analyse pertinente, sans complaisance, ne souffrant d'aucune ambiguïté sur la chose publique au Sénégal. sur le Sénégal yi nga que ne wax dëgg yàlla dañ koo bëgg sopp ko ñu ko comme la prunelle de nos yeux waaye bis bu yàlla sàkk soo l'actualité politique bi da ngay ruus ndax da ngay jommi l'actualité politique bi day gën a marqué wu de plus en plus nga xam ne dañuy seet li nga xam ne mënuñu ko ñàkk ba ñu wax ñu wax ko ndax bu ñu bëggee wax lépp duñ ci génn kon ñun ñi nga xam ne ñoo nekk des membres actifs ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew li nga xam ne daal moo unir rassembler autant de patriotes sénégalais et sénégalaises autour de nos idéal Comment pour cela il faut que nous nous ñu sur ci suñu détermination ñu indi patriotisme indi ci civisme nous ku ne indi ci sa xalaat bu rafet ñu la démocratie participative à l'échelle nationale li nga xam moy jën wu mag la clé de voûte manam la volonté politique de chaque sénégalais ndax sunu Sénégal gi wax deug yalla mu nek ci démocratie plein développement économique politique militaire financier am fi sunu Sénégal gi son soldat si ñu assurer la sécurité de ses frontières aériennes et terrestres ndax ku lay dimbali day ëmb sa sandal waye badoole yi nga xamné ne ñoo fi nekk te Macky Sall moy sen chef mon day propre intérêt donc mou lay défendre ndax ku doon wax ne le retrait des troupes et bases militaires françaises relevé quelque peu d'un nationalisme mal placé xam ngeen ne wor kat bu mag la te loolu dafa wouté li nga xamné mom la Cheikh Anta Diop doon wax kat bu mag bi nga xamné ne mi du jeex ndax Cheikh Anta le visionnaire hors père l'éternel figure de proue charismatique le gros calibre homme d'honneur le kamite panafricain égyptologue scientifique le plus élevé de tous les temps voyez, curieusement certains esprits aliénés par la domination culturelle et leur ignorance pathologique sur la dimension exceptionnelle de l'homme réussit à m'accorder du crédit, baisse la kilote et se plie devant ceux qui prétendent posséder à eux seuls Nous, avenue rafet nga wax Cheikh Anta Diop bu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 defuñu ko pour aar les codes pour di intérêt mal placé au nom de la géopolitique nga xam ak seeni dak ak leur famille loolu kat moo fi nekk ci Afrique te Macky Sall moo ci jiitu loolu tax combat légitime bi duñ ko bàyyi wax ndax 1900 63 ba kon il faut que nous euh, réformions impérativement le régime présidentiel prédateur autoritaire Nous remplacer ko wax par un régime parlementaire plus juste et équitable et beaucoup plus démocratique leneen lu mën def un coup d'épée dans l'eau lolu duma du diko wax neexut sax nag waaye loolu moo fi am kon sunu Sénégal gi dañ ko wara tabaxat remodeler ko wat ko ndax man fi indi des principes démocratiques et des institutions fortes inviolables respectées par des patriotes sénégalais et sénégalaises imbus de la fibre d'honneur le tout buñ ko bëggee une bonne gouvernance irréprochable am un état de droit bo xamné buñ fi un régime parlementaire président de la république day un symbole de une tâche primordiale plus urgente même prioritaire, numéro un Comme il faut que nous créions les conditions obligatoires véritable gouvernance politique économique saine financière transparente amphi nous sert les seuls intérêts nationaux incessibles supérieurs légitimes de la nation sénégalaise pour toutes ces raisons là li nga il faut que nous nous le Sénégal de véritables sentinelles sénégalaises charismatiques de manière qu'elle soit en mesure de créer une impulsion dynamique, pérenne. Ceci étant, il faut que nous cultivions le patriotisme, la démocratie, la justice sociale, nous aimons les nous l'éthique, l'équité, l'unité nationale en fait, sécurité en fait, cohésion en fait, sans lesquelles, wax yalla dara té li nga xamné ñun ci la ñu nekk ndax ndox du bayyi yoonam ñun ñi nga xamné ño nekk ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew il faut que nous rehaussions nak l'étendard de nos valeurs pour cela nak nous devons nous inspirer et puiser dans le trésor inestimable de nos valeurs hommes d'honneur nous enseigner dans nos universités ci sunu collège ak sunu dara yi ak suñ école primaire seen xam-xam bu rafet ñu tëdd ci suñu digg dëkk bi ndax borom xam-xam yu mag lañu c'est des soufis yoo xam ne wax dëgg yàlla jàngkat yu mag lañu te dañoo maan da mënu fàtte aussi suñ jàmbaar ju mag gi l'homme de la résistance armée notre héros national mooy Lat Dior Ngoné Latyr Diop borom fitu gaynde yi ki combattit farouchement l'armada coloniale pendant 24 ans, malgré la supériorité numérique et matérielle des envahisseurs. nga xam verser son champ son sang et marqué d'une empreinte digitale sa vie a livré des combats acharnés sans merci combats face à l'armada du colonialisme repoussant notre héros national emblématique par son courage inébranlable nga qui tomba sur le champ de l'honneur les armes à la main à déclé le jeudi 27 octobre 1886 nga deux de ses enfants majeurs Nyabas et et beaucoup de ces guerriers redoutables ils laissèrent leur vie yalla y yalla la aljana àjjana muy le le champ de bataille historique célébrissime du Sénégal kooku jambar la ndax dey dans l'histoire du Sénégal n'importe qui ne pouvait pas prétendre au titre de Damel du Kayor pour être Damel du Kayor ci jamono jooju day ah il faut que nous l'esprit du sacrifice et la capacité de résistance ndax subir des épreuves d'endurance yu metti et combattre en même temps sur le terrain des hostilités white été Sénégal dans les temps modernes non soi-disant présidentialistes de pacotille de la République présidentialistes nga xamné ñom par les raccourcis politiques a que des multimilliardaires des postes de nomination tant sa ce la neex te ci se réduisent en rois-telés, pour n'être que des abrutis poltrons des clowns des vergondés, entourés de garde-corps se donnent lamentablement la qualité de dirigeants imaginaires loolu le monde su mi tardé aussi

le civisme chez les populations le civisme de mas incontestablement le réflexe descend de tout citoyen responsable qui a sa place dans la société le civisme dafa faut impliquer toujours le savoir-faire et la civilité lorsqu'il s'agit de la chose publique Non. en tant que citoyen à part entière soo may ay devoir da nga war ay droit waaye Macky Sall de moom yaakaar na ay droit rek la am te loolu gis nañ ci discours reuy yi nga xamni ne bi mu mo nan sama xaalis maa ko am en tant que premier ministre koku xam ngeen ne saay-saay bu mag la xam ngeen koku du gor koku xam ngeen ne musta am la moindre euh, euh, euh honorabilité amul fiscalisme ndax ce n'est pas un homme d'honneur loolu kat mo fi nekk te loolu mënta nek la loi de l'omerta te loolu mënta nek un secret d'état te dama koy wax ci suñu digg penc mi sunu digg dëkk bi kum neex nag wax ne dañuy wax ci micro waaye kii nga xam ne ay garde corps mu ko wër bu nekkoon ci digg mbanding bi day moom dana tal leneen waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew ñu gën ñoo xam ci su l'acronyme CPC nun day wax dëgg yàlla bokk nañ ci l'avant-garde de consciences yi nga xam ne

Lolo, loolu ñoo def une vaste campagne de sensibilisation massive tout azimut yoruñu paaka yoruñu gobar nga xam ne su fekkente ne bii une élection Amna. chaque citoyen sénégalais ak sénégalaise dafa war am le devoir moral intact de s'armer de son bulletin de vote mu seet ki nga xam ne dafa set wicc ginnaawam set na biiram set na nous sacc lu néew ko bari nu seet li nga xam am na ko te am na nous. bu bi librement en toute logique en toute conscience et en toute indépendance C'est ki nga xam ne nag wax dëgg yàlla défendre l'intérêt général ñu wateel ko su fekkente ne ah saay-saay bii fi nekk day nga xam ne démb dafa nekkoon taciturne digge na digge yu bari waaye bi mu toogee ci siis bi wone na limu mu doon ni mu mane kon kooku noonu rek lay gouverner ndax moom dafa fen ba jàll ay carte day moo tax mu falu waaye day ay carte du ko fi du ko fi jële ci sama gis-gis wax dëgg yàlla nag ah man de loolu laa gëm kum neex nag weddi waaye day lii raam de ci ñag bi la jëm ndax Macky ger ci la nek kon ndax mom day gis ne le suffrage universaliste du ko génn ci pouvoir bi kon il faut que ñu utiliser nak face à Macky Sall le rapport de force face à Macky Sall bi nga xamne dafa nek réfractaire à la démocratie ñu sét ba xam am am doole wala amut doole waye ko xamne da ngay laqtu ci euh, parte garde corps nga xamne bu ndon wax ne ku bëgg nekk président de la république da ngay def ay primaire boo dee ci xare bi baax na yaakaar naa ne du ci bokk de waaye nag ñi war réew mi c'est toujours les mêmes patronymes particuliers bien sonnant. loolu kat moo fi nekk te loolu neexu dox waaye loolu moo fi am en tout cas du moins signé ñenn ñi te Macky Sall moo ci jiitu kon il faut que nu génn ci de nos armes conventionnelles ubuesques ñu contraindre baadolo bi par la force ndax mu mën a abdiquer ndax l'issue des scrutins de se joue nécessairement dans la cour des voleurs en bande organisée ndax une simple formalité administrative loolu moo may wax ne toujours ne Sénégal échapper vraiment aux contingences mondiales obligatoires spécifiques à chaque peuple pour sunu Sénégal gi yilif Sénégal, ndax mu mën opérer wax une véritable rupture totale notre radio sunu FM la première radio panafricaine nek Californie la radio la plus crédible par son patriotisme actif ndax radio radio bi des qualités exceptionnelles la qualité est avant tout un état d'esprit qui vise à l'excellence un côté fi ci jëf ci jikko won ko askan wi bu leer naññe te loolu la sunu rajo bi am te gis nañ ko ci gor yi ci seen discours pertinent ndax seeni audio très audible nga xam ne boroom xam-xam yi wax dëgg yàlla dañoo màndu waaye saay-saay di ñoom ci leneen la ñu nekk kon gor yi nga xam ne ñoo nekk de véritables sentinelles sénégalaises qui s'expriment librement en toute logique en toute indépendance et en toute conscience sur des bases voulues nous les wax de par leur esprit alerte la bassesse et la médiocrité d'une certaine classe politicarde plutocrate multimillionnaire des raccourcis politiques les sentinelles sénégalaises qui s'expriment librement à travers les ondes de notre radio le Nous nous mieux que am une logique crédible, patriotique, nationaliste, bien placée, qu'elle distille dans les consciences sénégalaises peu à peu pour que nouveau Sénégal qui, mën sortir la tête de l'eau ndax sunu Sénégal qui aille de l'avant ndax sunu Sénégal qui, top petit, sur la trajectoire des grandes nations émergentes nga xam ne ku leen du ñu diggalee ko yow ba mu sap loolu mooy wane ne sur bu quant à elle historiquement et présentement. elle est la référence exemplaire. Et à la différence d'une certaine servilité achetable de référence, sac, mécaniquement et hystériquement, par la désinformation et la manipulation, n'agit qu'au doigt et à l'œil du régime capitulaire, négationniste et de son chef valet, le tyran, menteur professionnel, profanateur, nègre de service,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 et qui dicte nak sa propre loi arbitraire au nom de la tyrannie pour faire taire toute voix discordante des opinions libres ndax sentinelle sénégalais ñoo nek fi ñu nek ndax ñoo nek fi ñu wara nek ndax dañuy wax publiquement ce que les minables politiciens croient pensent tout bas par leur insuffisance criarde dañuy yoré seni keul ak seni loxo di ta di ko tàllal di sukkal sàcckat bu mag bi nga xamante ni don dans le moins qu'on puisse dire nekkut kilifa ndax amut la moindre qualité d'un président de la République c'est un chef de clan te lolou mënta nek ba illa yow dini la la loi de l'omerta te mënta nek un secret d'État te mënta nek offense affaire offense sax constitution bi lolou lay wax waye constitution bi moy offensé suñu réew ñi nga xamne bu won ak yow do nek dara ko la wax nga tejj ko ci kasso naan offense koku affaire monarchie la manam li nga xamne mom moom lañ dan bañal gor yi ñom la joor mom lañ nangul baadoolo lu maanaam loolu lol li may wax toujours ne le droit international ñuko def seeni intérêt dong la ndax dañ ko def par seeni minable interposé la ñu jiwu jexu jogu fi tout se tient en politique nga xamne notre radio sunu kër gor yi nekkuñu fi rek di sànni ay xeer wala di wax lu leen di neex wala di wax lu leen neex ndax bu su yàlla sàkk dañuy proposer nag des solutions pérennes concrètes tangibles Il doit même ndax sunu Sénégal gi jëm ci kanam sunu Sénégal gi mën a nekk un pays émergent totalement opposé à celui des menteries inflationnistes fascistes sentinelle sénégalais si ñoo nekk fi ñu amuñu ben complexe lu néew ko bari liñu xalaat dañ koy wax dans leur fort intérieur nga xamné dañ koy duñ ko nga xamné dañ duñ ko xumto dañ koy def duñ ko def nga xamné dañ koy def ci kaw té dañ koy def sans langue de bois ci diggu penc mi ci diggu sunu penc mi sunu digg dekk bi ñom ñëpp nak wax deug yalla buñ day wax deug dañu am un savoir faire un savoir être un savoir productif actif yoo xam ne wax dëgg yàlla kenn mënu ko weddi kon nag tey nanu wax ci wax ji maanaam nan wax ci Séné ci sunu senegal gi lu jiwoo jeexu jógu fi te loolu sax comme ni ma ko waxee toujours yàgg nañ koo wax dañ koy gën a leeral rek ndax sénégalais ak sénégalaises yi man ci am seen grille de lecture te loolu bokk na ci démocratie kon sunu temu tay bi moy le Sénégal une dynastie une famille un état dans un état et c'est secret kon nan wax ci loolu indi ci sunu expertise waaw waaye li nga xam ne moo ci nekk comme le disait à juste titre le défunt François Xavier Verschaff dans son ouvrage Noir Silence qui arrêtera la France-Afrique. En Afrique, le pouvoir est une affaire de famille et de clan François Verschaff mon colonel. c'est te loolu dëgg le C'est une vérité éternelle que l'on ne saurait démentir dans le temps et dans l'espace Madame, li nga le di le pillage organisé des ressources du Sénégal par la marionnette en place prime sur tout. ki est-ce Macky ndax Macky Sall incarné la culture de la trahison qu'est ce legs colonial prévaut plus que jamais il devient nécessairement source de référence et de promotion sociale, politique même. Coco, c'est le cas avéré du tonnant nègre de service, Mouy Macky Sall Il koy jox ay prix prix de prix te prix il siècles prix ah bo de gor day Wow, ko nang waaw parce que képp ku ñuy tag am loolu loola defal man na ma comprendre nak Sénégal defal lako waaw waaye extérieur mo la koy defal ki nga xam mo la teg bu mu demb ba def ay bankam nga ne mu lay tag nga gëm ko ah man day loolu jaaxal na ma kon impunité mo fi nek manam intérêt de la famille idolâtrée waaw ñom ci lool lañ nekk ndax maki day gis ne ses propres intérêts daf koy tek ci à ce de l'écoderme suprémaciste ñu ko yilif ci lool la nek mu ko def en toute logique té gis nañ ko ben du ñaar lu bari depuis 2012 ci Macky Sall la nek té gis nañ ko ci franc CFA bi ak ñu mi doxale tey wane ko te bu da na ko woné waat buñ ko bayé ci défense des installations pétrolières le Sénégal Madame du Sénégal c'est Macky himself ndax Macky day confondre l'État et lui-même et sa personne émue nous jox 200 milliards à la France waaw ndax soldat tubaab bi garantir la sécurité te ce danañ ci indi jàngat te bind nañ ko fois et à à euh, bind nañ ko à l'instar du modélisme des monarchies moins orientales autoritaires héréditaires des wahhabites les compagnies américaines nous ñooy contrôler exclusivement les installations pétrolières en Arabie Saoudite en échange selon les clauses secrètes du pacte de Kensi Abdel Aziz Ibn Al Rahman Al Saoud au nom kilométrique présumé divin et le président américain Frank Roosevelt nous sommes un accord le 14 février 1945 comme les États-Unis ne se mêleront jamais dans les affaires saoudo-saoudienne. te gis nañ ko ci l'assassinat du journaliste Khashoggi waaw ken du ko ci critiquer dañuy critiquer rek du bout des kon les états n'ont pas d'amis mais rien que des intérêts kon mbir mi li muy nuru chacun ses caniches Manam mbir mi dafa mel que adduna bi ñaari aduna mo fi nek. Manam bi américains yi ak bi nga Europe Madame, le bipolarisme mondial oblige dellu c'est la même chose pour le faquin inimitable facho de la sphère né de pion mercenaire ou le pétain noir le sous-marin américano-français en place muy Makissal, proclamé pour garantir son impunité abrasive souvenez-vous à la sac de copier servilement et textuellement et confie la sécurité des puits de pétrole aux entreprises françaises dans le dire. fi nekk te buñ ko ce ba je ko BP les britanniques qui pétrole bi ak gaz bi pàccoo la voyez Ils dañuy indi des thématiques de la lutte soi-disant contre le terrorisme nga ne ko ba ko obéir toujours en effet me semble-t-il à des critères hégémoniques en arrière-plan Maintenant, tout est prétexte pour faire mes bases sur le Sénégal et sur toute l'Afrique pour nous coloniser c'est commencé à quoi s'y ajoute en abondance à l'appel le terre l'autoroute à péage les stations d'essence Orange une filiale de France Télécom nous avons la passerelle de télécommunications du Sénégal Madame, depuis le colonialisme jusqu'à l'indépendance bayonnais formelle de la décadence France Orange nous le monopole de télécommunications du Sénégal alors que pays yi nga xamné ñoy sen bop télécommunication comme état de droit amu fi pays souverain amu fi maanaam mbir mi ko ba ko désormais bi fi Macky Sall ak léegi tous les chemins mènent à Paris waye nak ci ndëngte lañ un scandale bu jeex un scandale ñoo waye ça dépend des scandales et qui le fait et qui est coupable voilà manam le député Bougazeli qui appartient à la majorité présidentielle nous avons été ko écrouer ñu placer provisoirement sous mandat de dépôt pour contrefaçon euh, de billets de, banque. Le Sénégal est devenu une plaque tournante de la drogue. la semaine dernière Pape Aléna Anna il est bien renseigné ndax accès à sa chronique sur la question nga malgré son apparence de respectabilité au Sénégal surtout Macky Sall mi a wax rupture transparente bu ñu la plupart des maires qui sont affiliés à la paire ñëpp ce sucre sans scrupule sur la vente des terres spéculation la ci def ont raqueter Ils koy jënd nga xam ne dañ leen le prix fort d'une copine de fenn rien nag dañuy sàcc une partie ñu dans la caisse de l'agence maléfique mooy la paire. bi nga truffé de francs-maçons. nga c'est ne seen mec. Ouais, le procureur et le juge silence radio ndax travail sur commande reste aveugle sur les mécanismes confiscatoires à la démocratie dis. Ces pratiques douteuses n'échappent plus au pouvoir maléfique, politique, autocrate et ethnique même qui ferme les yeux. Alors que pour opposition nous sommes impliqué dañ ci naturellement mon impliqués. le casseur du siècle et le mal du Sénégal Mouy Macky Sall Nous du ci wax da auto nga xamné waye nak ko def bu opposition bi ko def servir une tribune politique et par presse interposée ñu réciter li nga xamné de bi mom bëgg loolu Macky millions yu bari yi may fay pour massifier le parti politique cliniquement clanique la lors du moyen aussi étrange que cela puisse paraître la la constitution moribonde qui est articulée à la francophonie accorde par devers la primauté à la langue française qui devient universaliste où on utilise linguistique de domination politique, économique, d'asservissement et de services publics. Le clou est que pour candidater au poste soi-disant de président de la République monarque. Il faut savoir lire et écrire correctement la langue de Molière. Voilà un comble de l'indignité. Alors que le Wolof est la langue la plus parlée, c'est la langue consensuelle, n'a rien à envier aux autres langues européennes et dans le monde, pour servir de langue officielle n'est jamais antinomique à la science. Et au contraire, les Chinois qui jouent aujourd'hui dans la cour des grands avec un grand J pourraient-elles se hisser à la langue des puissances occidentales si la Chine avait adopté d'autres idiomes et d'autres cultures venues d'ailleurs kon Chine du nek fi mu nek ndax soy wax sa kalama ki ngay gëna comprendre science waye bo jëlé benen langue ak noko mëna la maîtriser du ben tonalité bi day changer xam-xam bi day je le répète et le martèle à chaque instant aucun pays ne peut se développer en dehors de son environnement linguistique culturel spécifique L'Afrique est-elle donc une terre de malédiction au point qu'elle semble ignorer toutes les conséquences de son histoire, alors qu'elle a, a souffert plus que d'autres dans son passé si douloureux le président du Niger ne compte pas briguer un troisième mandat se met en porte-à-faux avec l'escarcelle des despotes africains francophones unifiés, le président du Niger va changer l'hymne national de son pays. Waouh te n'as troisième mandat te aussi Bouhari Lollawa tu wax troisième mandat du je ne vais pas commettre l'erreur de de tenter un troisième mandat waaye le tona une autocrate en place en jointure avec son acolyte ivoirien de la dernière heure qui sont tous les deux sur les plis de la France-Afrique rechignent traîne leurs pieds et entretiennent le doute sur la question en faisant par-dessus tout des surenchères cataclysmiques dignes d'un casus Belli gouvernent contre la volonté de leurs pays respectifs, Mouila la Côte d'Ivoire et le Sénégal, pour ne citer que cela. Je me passerai de la dynastie plastique, des corrompus, des Yadema, du Bongo, Sassou, Pierre Kourzinzi et compagnie, où la corte unifiée des inamovibles ne s'inquiète outre mesure et dont l'impunité empire et garantie publiquement avec cela même qui se donne la qualité des paragons de la démocratie et de la liberté d'expression à travers la planète entière. Voyez, non seulement au Sénégal, bouche et motus cousus sur l'hymne soi-disant national sénégalais décrié, lequel nga xam ne ko ba ko un caractère fondamentalement franc-maçonnique nga xam la chronique ces derniers mois l'hymne national a été composé par la première femme de saint muy Ginette Eboué nga elle-même dafa franc-maçon fille du gouverneur Félix Eboué qui fut lui-même un adepte actif de la secte kon le Sénégal gi ci tànk yoy la le lu jiwu jeexut a fi xam ngeen lima wax récemment l'enseignant chercheur Cheikh Omar Diagne est bien renseigné et documenté ndax devait révéler un scandale parmi tant d'autres le chercheur devait enfoncer le clou ndax devait brocarder sans langue de bois ndax dafa désigner certains politiciens ak yenn marabout sans les nommer directement mu ne dañoo nekk franc-maçonnique et cet homme à juste titre de la couleur du lion rouge nga xam ne le sau du drapeau du Sénégal mu où a-t-on vu un lion rouge s'interroge-t-il et à juste titre waye li ci gëna doy waar bu fi Macky Sall nekkee aw aw askanam lay fal ñiko gëna et pourquoi la reconstruction de la langue de barbarie nous confier ko aux mêmes entreprises coloniales té li ci gëna doy augmentation du prix du courant électrique et des denrées de première nécessité addu calpé faux quartier. puis encore les hôpitaux deviennent nécessairement des mouroirs à ciel ouvert, manquent de tout et des soins de santé les plus élémentaires. Pour ne rien arranger, les plans structurels de la Banque mondiale et du FMI s'aggravent de plus en plus et pourrissent la vie de nos concitoyens et concitoyennes. Paix le matériel de répression. Madame, le corrompu vassal incapable nègre de service de l'Occident ou où la culture des trahisons livre toutes nos ressources vitales et nous avons en intelligence totale à huis clos avec l'Europe qui ferme ses frontières en se barricadant donc et face à cette réalité les Sénégalais qui prennent le large au péril de leur vie et à la merci des intempéries et des requins, à la recherche d'un Eldorado imaginaire, sont piégés et déclarés persona non grata qui Europe. Le désolant kleptocrate, le virtuose de classe exceptionnelle, Adoubou par de verre, et contre tout le peuple sénégalais. Nous, il la structure bidon Mariam Faye de ko qui sortent de terre on ne sait où et comment baptisée immoralement emphatiquement et indignement la nébuleuse Macky Sall tuddee ko association servir le Sénégal nga xamné ci sama gis qui ndax ci la plus vaste escroquerie gigantesque du siècle au Sénégal jamais égalée un scandale d'État familial ou le label d'un bazar ou le casse du siècle de toute l'histoire pour se servir elle-même gloutonnement et scandaleusement dans la gestion calamiteuse des affaires de la cité jusqu'à la lie. Un tel embryomini mystificateur, digne d'une bande familiale organisée, organisée de malfaiteurs, agit de façon concomitante et ouvertement nga xamné idem pour Aliou le frangin de la surcharge pondérale dëmm l'étrange multimilliardaire prête-nom mongolien crocodile qui dispose de multiples casquettes légères digère tranquillement sa proie dans les eaux troublantes de la paire et ce face au nom et à la barbe du juge et son assistant. Tous les deux se convertissent lamentablement en auxiliaires de service et de ramassis pour n'être que les jouets d'un chef de clan. indigeste muy Macky aussi extraordinaire que cela puisse paraître aucun jour ne passe du Sénégal sans qu'il y ait nécessairement des compilations de fadaises de ratonnade, d'une certaine servilité nauséabonde qui tire à boulet rouge sur les présumés querelles d'arrière-boutique interne du PDS, comme pour excuser davantage et à demi-mot le régime négationniste prédateur, capitulaire et pantouflard de la démesure et de la débauche. Moi, le plus corrompu est son écosystème de vase clos, de Bandoum, crève les yeux, donne la chair de poule et sorti de terre nulle part ailleurs hier. Alors, qu'est-ce fi li ce que l'on reprochait à tort ou à raison à Karim Wad, bi nga comme l'ex super ministre d'État du ciel et de la terre entière le chantre du népotisme et de la pagaille utilise exponentiellement, abusivement, les mêmes schémas décriés de façon disproportionnée et sans commune mesure avec le défunt régime de Abdoulaye Wade. Maki nomme sans vergogne toute sa famille immédiate, son clan, ses proches, dont les cousins, cousines, sœurs, amis, frères, beaux-pères, entre autres, des tailleurs, proches ou parents d'alliance, des obligés, sont tous à l'abri de tout besoin. On trouvait une planque taillée sur mesure dans toutes les structures de haut niveau au cœur de l'État sénégalais, y compris même des griots de la dernière heure qui vont plus que les aiguilles d'une montre, deviennent des députés multimilliardaires. Madame, l'opulence exhibitionniste cynique contraste avec la précarité de la majorité des Sénégalais, lassés et laissés pour compte sur le quai, vivent en permanence dans la diète, tirent le diable par la queue, et ce, à l'indifférence quasi générale du pouvoir apocalyptique de la désinvolture, de la qui n'en a cure le kat finale fi Voyez, waaye l'affluence nauséabonde corrompue jusqu'à la moelle qui n'agit qu'au doigt et à l'œil du tyran encombrant vassal béni de l'Occident Veuillez bien entendre li nga xam le occulte muy presse doy occulter sciemment les dettes industrielles cataclysmiques contractées au Club de Paris et de la Banque mondiale et du FMI, et auquel cas, et, au, et auquel s'ajoute vous yàlla les nombreuses agences très onéreuses clientélistes par vers en fligramme à l'appel et les réalisations incongrues démarche coloniale, inutile à coût de milliards de francs CFA golo de bay Babou plan Sénégal émergent à combien s'élèvent les dettes de 2012 à nos jours la question reste posée mais silence radio bouche et motus cousus Voyez, par le vacarme de ces vacataires retraités clientélistes interposés qui reprennent du service lesquels sont constamment en intelligence avec les ministres soi-disant des finances. L'aventurier de grand chemin, Mouy Macky aligne des chiffres bidons, croit pouvoir embellir et laver à grande eau son bilan si chaotique, comme si le Sénégal se porte bien aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Alors que la marchandise avariée n'est qu'un trompe-l'œil bien visible. Tous ces éléments réunis en vêtraient les uns après les autres expliquent en toute logique les augmentations effrénées des prix des denrées de première nécessité et du courant électrique plomb si bien que les paniers des ménages en reçoivent un sacré coup le kat mo fi ndax où a-t-on vu tu des sommets nous développer des pays c'est un non-sens pour des raisons évidentes Moi, il me le wax tout à l'heure il n'y a pas il n'y a jamais eu en Afrique et à l'échelle continentale de véritables plans de développement pérenne ni d'installation d'usines destinées à transformer les matières premières en produits finis, il n'y a que des discours mielleux, lénifiants, creux et verbeux au, du bout des lèvres. Frise la démence et le bluff. loolu kat moo fi nekk maanaam ci Afrique l'eau, c'est ko seetloo C'est l'Angola et la Guinée équatoriale sortent la tête de l'eau disposent de leur pétrole, fixe leur population, n'ont pas besoin d'immigrer en Europe. Quelle du de l'Éthiopie prend son destin aussi en main avance à pas de géant développe un partenariat avec la Chine sur des bases voulues la république centrafricaine se démarque peu à peu du précaré colonial fait de même avec la Russie de Poutine qui n'a jamais eu de colonie voyez dañuy respecter ses alliés quant au Rwanda après une guerre ethnique meurtrière se réveille et se reconstruit monte sur place son usine de smartphones. En revanche, chez nous, au Sénégal, la platitude et la régression sont de mise. Et pour cause, l'extérieur décide tout à notre place. Malgré la communication de caniveau, peu convaincante. Et pour ne rien arranger, la publicité mensongère à grand tapage médiatico-politique que l'on appelle les prétendus accords de partenariat économique, ou APE, sont des exemples frappants qui donnent la chair de poule, constituent en vérité des déséquilibres patents entre les pays signataires du Sud et du Nord. il s'agit tout simplement d'un rapport en faveur des pays dominateurs gagnants et perdant contre les dominés, c'est-à-dire oppresseurs et oppressés, puisque ces derniers non seulement perdent annuellement plus de 200 milliards de francs CFA, voyez, importent plus qu'ils n'exportent en réalité. Car les effets nuits pervers de la monnaie coloniale, le franc CFA, qui a été instauré depuis le 25 décembre 2000, 1945 freine et plombe durablement les mécanismes fonctionnels du développement économique et l'avenir des 14 pays francophones assujettis sur toute sur coloniale loolu kat le Liban un régime confessionnel on oublie souvent ici au Sénégal et en Afrique des élites farandoles fantoches. Le régime prédateur présidentialiste tel qu'il est conçu a aussi un caractère religieux et monarchique en dans les faits matériellement avérés sur le terrain du crime. Comme les xew du Liban celui pareil au même qui Sénégal C'est que fii sax a ndax mbir mi bu ko c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Toute capacité de résistance est synonyme de déstabilisation. nga xam ne dañuy gis ne atteinte à la sécurité de l'État alors que le premier droit d'un pays libre moi ñaxtu soo gisee ñoom nga lànk waaye mbir mi affaire monarchie la kon affaire li xew ci Liban moo fi xew ndax ñan ñoo bind constitution c'est toujours les mêmes c'est bien la conception et, la marque de fabrique de la République bananière de la Bambola, des pâtes en bande organisée. Maintenant, sous le règne le plus scandaleux de l'aventurier négationniste intégriste, intégralement intégriste ethnique, le Sénégal, malgré qui a eu c'est parce que c'est le pouvoir apocalyptique ethnique, le Sénégal, bat aujourd'hui le triste record des inégalités sociales criardes au monde. Bon, qu'on est tout. Car les écarts grossiers, les écarts grossiers mirobolants entre les salaires, de friser la démence et l'esprit rationnel contraste parfaitement avec les compétences et les expériences bidonnées, deviennent de facto une norme sacralisée, établie même, institutionnalisée dans les faits. Le seul critère qui vaille, c'est d'avoir une proximité, une consanguinité avec le couple présidentialiste affectionné de l'heure et de la pagaille toute la famille immédiate du larron nombriliste d'Étienne par devers tous les leviers clés de l'administration sénégalaise et du pouvoir politique, sans exception roule dans de gros dans de gros cylindres aux vitres noires fumées vivent ostensiblement dans une opulence attentatoire cynique et exhibitionniste même Cassius Belli nous les mêmes bénéficient automatiquement plus de largesse et de promotion sociale rapide que n'importe quel Sénégalais Sénégalaise à diplôme supérieur avéré ou plus soutenu matériellement avec des preuves en appui. le Sénégal finalement le seul argumentaire léger qu'ils avancent ne tiennent que sur une crête parce que dañuy wax ne te lolu gis nañ ko ci Mansour Faye mu né nous sommes bien méritants et nous sommes des Sénégalais à part entière Xana bi fi Macky Sall nekkee légui bi fi Macky Sall nekkutoon lu tax dem kenn valu len. kon c'est la règle stricto du chantre du népotisme Manam gëna a laate maa tey muut mbaa mot Macky Sall loolu la def Manam la la méritocratie n'existe pas n'est qu'une chimère au Sénégal Macky alors que la majorité des couches populaires sénégalaises les plus vulnérables vivent au seuil de la pauvreté chronique disposent de moins d'un dollar par jour Tu le comble du comble est que la quantité industrielle avoisine des postes de nomination entiers portent massivement et exclusivement les mêmes patronymes visibles bien sonnants maître de ko pour échapper à la vindicte de la communauté dite internationale de trois pays les plus bavards le traître versatile opportuniste ferme les yeux leur balise le terrain du crime pour qu'elle se serve abondamment en nature et en finance. Le tout sur un plateau d'or, notamment le transvasement des ressources vitales du Sénégal. Le Macky Sall def le matelas financier prédateur Talignaret, dans son rôle de farandole et de chef des esclaves de droit divin de locoderme suprémaciste. Maki masque ces infinis forfaits dont il est l'unique coupable. Le désertique, dit l'envoyé spécial colonial, attrité en Afrique, accrédité à Dakar, digne de son nom, par sa désenvolture et son manque de patriotisme, a eu le kilo culter le troisième mandat bancal illégal même, pour lequel il disait que c'était fini pour lui. Contre toute attente, la singulière girouette agit sans vergogne, change constamment son fusil d'épaule. À quelle fin et pourquoi le Machiavel par ses légèretés, abyssales à couper le souffle. Veut-il encore revenir sur la scène politique et candidater à sa propre succession illégale et illégitime à l'horizon 2024 Lolo question bi may à moins que nous opérions un sursaut national pour en finir avec les labels du foutoir pourrions-nous nous plier aux règles tyranniques d'un hableur éhonté, dont la parole n'a jamais valu un seul sou te pour dire la vérité rien que la vérité Le Sénégal demeure dans l'expectative et la pénombre tombe plus bas que jamais, s'inscrit dangereusement dans la dépendance dynamique expansionniste, redevient absolument et sûrement et peu à peu une colonie française au sens propre du terme, qui se frotte les mains, sacralise sa mémise et arrache par verre toutes les parts de marché sans appel d'offres. Macky Sall de koy appliquer à la lettre sans broncher Maintenant, nous dañuy renforcer massivement leur présence et ses bases et ses troupes militaires que ne dans le passé et sous l'air, Senghor et Abdou réunis parce que Abdoulaye Wade d'accord Macky Sall le retrait des troupes et bases militaires françaises relevait quelque peu d'un nationalisme mal placé dixit le renégat traître comme pour pour donner des gaz supplémentaires le franc CFA est une monnaie est une bonne monnaie à garder ajouta-t-il et ce n'est pas tout Qu'ils soient ci qu'il soit homosexuel c'est leur problème Oui, curieusement il n'en fait pas autant pour les musulmans qui sont épris de paix et de pédagogie et de justice les actes contre nature le la ko Sénégal tuddee se multiplient tout et à la place publique pour la première fois un homosexuel présumé ou le kilo de porte plainte pour son intégrité et pour laver soi-disant son honneur une première dans l'histoire du Sénégal Nous disons, la preuve et l'une de la pègre qui agit sous la bénédiction et la bienveillance du fourbe nègre de service vassal. Alingungay, de faire légaliser les associations de l'homosexualité ndax distribuer à tout vent des récipients pour les mêmes. Pendant ce temps, tout imam qui prêche la droiture, la piété la parole du Saint-Coran sera automatiquement considérée comme un terroriste potentiellement dangereux loolu moo tax su réew mi tardé kon boo gàññi maa ngi rendez-vous ci sunu émission bi de tuddee xew-xewi réew prochain Inch'Allah. à travers les ondes de notre radio « sunu FM la première radio panafricaine nekk Californie muy sunu radio exceptionnel bu de renommée internationale